Bonjour, euh, chers auditrices et auditeurs. Euh, bienvenue dans notre émission Le Niger sur Kalangou. Nous sommes lundi 22 janvier 2024. Au micro, je suis Ali Munkela alias Seno et avec moi Samira Rouafi. Bonjour Samira, comment vas-tu Je vais très bien Seno et toi ça va Super bien. En tout cas, moi je suis d'attaque cette <laughs> semaine. bien, alors nous allons accompagner nos auditeurs pendant une bonne heure avec euh, des infos et de la musique. Nous sommes nous commençons D'abord euh, avec euh, le flash euh, d'information, puis la rubrique hebdomadaire. Rappelez-vous, cette rubrique est consacrée à la justice comme tous les lundis. Nous recevons ce matin Madame Mamoudou Hamissa Issa Aïchatou. Elle est membre du cadre consultatif nigérien des enfants et des jeunes au Niger. Autrement dit, c'est une organisation qui œuvre pour l'inclusion des enfants dans la gouvernance au Niger. Toujours dans cette émission, il y aura les chroniques sport et loti. Pour l'écho des régions, nous restons à Niamey pour parler transport. Ça sera également euh, dans la partie culture linguistique. Euh, nous allons clore avec avec les messages des auditeurs. L'édition de ce matin, elle est assurée comme d'hab par Adama et la technique par Mustafa Ayouba. Nous démarrons l'émission avec le flash information présenté aujourd'hui par Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Oui, bonjour euh, Samira, bonjour euh, Seno. Le flash d'information à présent. L'enregistrement biométrique des personnes déplacées internes de la région de Difa a commencé ce samedi dans, le village de Digarga, dans la commune urbaine de Difa. Il consiste à collecter euh, les données personnelles des individus contenus dans un ménage en prenant en compte leur identité, activité et localité de provenance ainsi que leur lieu d'accueil. L'objectif principal de cette opération est de doter les services de l'État des données fiables afin de planifier les actions humanitaires au profit de ces déplacés internes. La Direction générale des impôts DGI du Niger a mobilisé en 2023 un peu plus de 636 milliards de francs CFA, soit 99,7% de la prévision annuelle de l'État. Une annonce faite samedi au cours d'un point de presse à Niamey par le secrétaire général du syndicat national des agents des impôts Sinaï, Abbas Maman Falalou Mokhtar. Cette sortie médiatique consiste à faire l'analyse de ce qui a été fait en 2023 en matière de mobilisation des ressources internes et à réitérer leurs engagements à redoubler d'efforts pour l'année prochaine. Le tribunal de grande instance du Maradi a reconnu dans un jugement rendu la semaine dernière la responsabilité de l'État dans l'incendie de l'école AFN du Maradi. Un accident, un accident survenu en novembre 2021 qui a causé la mort de 34 enfants et 10 autres blessés. À titre de réparation, le tribunal a condamné l'État a versé 15 millions de francs CFA à chacun des ayants droit des enfants décédés et 10 millions de francs CFA à chacun des enfants blessés. Et c'est tout pour le flash d'information de ce lundi 22 janvier 2024. Merci infiniment Mokhtar pour ces informations. C'est le moment de l'entretien, n'est-ce pas, Samira Exactement. Comme annoncé, notre invité du jour est Madame Mamoudou Hamma Issa Aïchetou, responsable du cadre consultatif nigérien des enfants et des jeunes. Bonjour madame. Bonjour. Merci de nous honorer de votre présence dans cette émission. Avec vous, nous parlerons de la participation des enfants dans la prise de décision. Bien évidemment, Samira, en attendant, on va bouger en musique pour bien se réveiller. Je propose la chérie à percer euh, de 227 concepts.

C'est quoi la commis d'enfer que je vois là Et là trop la classe, là qu'est-ce qui m'arrive là Je sens que je vais me déplacer pour la chapa Je m'approche en mode soit J'y vais de mon feeling le plus classe Quand la gosse se retourne Je vois que c'est la petite sœur du quartier La vie fait pas le moine tu sais Niezo, La journée personne la regardait La nuit tombée la gadite faisait Elle était sexy, sexy, sexy Mais comme une princesse des mille et une Cendrillon sous les coups de minuit. je sens pas ça, tout le monde était crazy, crazy. cinquantaine d'années. Elle traînait quand elle passait dans le quartier. Elle était tellement sale qu'on pouvait même pas la remarquer. Maintenant, la go a percé. Elle est tellement classe, elle me rend trop highway. Elle est comme un papillon, elle est resplendide, elle est bruit tous les quartiers. Elle est pata pata, c'est une vraie Angela. Quand elle whine et shine comme une pierre de diamant. Elle est scata scata, fou du jaga jaga. Quand elle passe, elle fait tomber le fumeur de mandula. Tu la miss elle est tellement vraiment pata Dans son jean moulant et ses Prada Son frère sautine, ça fait comme la maman On dirait que la miss a gagné tombola Ou elle a encore trouvé un gars ou qu'elle a soutra Avant, alors la voyant, on au secours Aujourd'hui quand on la voit, on s'empresse de lui dire bonjour La go, elle a percé Pour en arriver là, elle a dû se faire gercer C'est fou, qui va laisser pour lui partir comme ça, Carlo ce groupe a fait rêver beaucoup de jeunes qui voulaient en effet se lancer dans la musique urbaine dans les années 2010. Et oui, pour rappel, euh, cher auditeur, 227 Concepts est un collectif d'artistes nigériens réunis pour euh, se rapprocher de leurs fans et cela a bien marché, on dirait. Et oui. mon frère. Je l'ai pas reconnu quand je l'ai vu au concert. Le tout aller, elle est devenue Beyoncé. Si tu la vois, mon frère, elle est trop. Ah, devenue vrai sacré Tous les gars ont les yeux paqués sur ses nénés. Hum. C'est la même envie qu'anime les gars. mettre la main sur elle et lui faire du. Hum, hum, la mmh, la ses a changé. Soit de dingue nous éclate. Les cours de son corps nous épatent. En vérité, mon cœur s'enflamme quand je la vois. Elle, elle a trop la classe. On s'en mord les doigts quand on pense qu'il n'y a pas si longtemps. C'est là la première note de notre musique dans cette émission. À présent, on se tourne vers notre invitée, Madame Mahmoud Hamissa Bonjour. Bonjour. Pour euh, planter le décor, présentez-nous brièvement votre structure. Certes, ce n'est pas la première fois qu'un membre de votre organisation participe à une émission du studio Kalangu, mais une petite piqûre de rappel s'impose. D'accord. Euh, merci beaucoup pour euh, la parole accordée également de prêter votre micro comme vous l'avez dit, euh, vous nous avez remercié. C'est à nous de vous remercier de créer ce cadre d'échange entre les organisations à travers euh, vos chaînes, on va dire. Donc, euh, le cadre consultatif nigérien des enfants et jeunes connu sous l'acronyme CCNEJ, mhm. est une organisation à politique non confessionnels et à but non lucratif. Et au CCNEJ, nous avons des jeunes âgés de 14 à moins de 24 ans. Mhm. C'est vraiment une organisation qui œuvre pour la promotion, la protection des enfants, des droits des enfants et des jeunes ici au Niger. Parce que notre, de par euh, notre vision, qui est d'œuvrer pour un environnement protecteur et propice où les droits des enfants et des jeunes soient respectés. Mhm. Et aussi nos euh, que nous soyons impliqués dans les instances de prise de décision. En modo. Voilà, merci euh, pour cette présentation. Alors, euh, quelle était la raison première de la création de cette structure D'accord. la raison première de la création de cette structure, on va dire, c'est ça résulte d'un long processus mhm d'une étude qui a été conduite par les Nations Unies pour lutter contre les violences faites aux enfants et aux jeunes. Parce que, comme vous le connaissez, cette frange euh, fait face à beaucoup de difficultés, fait face est victime de violences, on va dire. Mm. Donc, pour euh, pallier à ce problème, il fallait créer un cadre, un cadre pour que les jeunes soient consultés pour que les jeunes eux-mêmes puissent travailler, eux-mêmes puissent lutter contre les violences qui sont faites à leur égale en interpellant et à faire des plaidoyers à l'endroit des décideurs pour que ces jeunes-là puissent être dans leurs droits. Ok, d'accord. Alors, avez, euh, quels sont vos membres Avez-vous des profils précis Au CCNEJ, c'est toute personne qui a moins de 24 ans de 14 à moins de 24 ans est éligible sans distinction de race, euh, de, religion ou bien d'ethnie. Tant que vous remplissez les critères, vous vous trouvez dans la tranche de 14 à 24 ans, vous êtes automatiquement membre. Alors, comment faites-vous euh, pour que les enfants et les jeunes participent dans les processus décisionnels Nous, ce que nous faisons d'habitude, nous les sensibilisons. Nous faisons beaucoup de sensibilisation mhm. d'abord et nous faisons aussi euh, des renforcements de capacités mm-hmm. pour que les jeunes puissent prendre conscience qu'ils ont d'abord des droits et qu'ils peuvent les revendiquer à tout moment et à qui euh, et où il faut les revendiquer. Mm-hmm. Nous faisons également euh, le suivi et la mise en œuvre de la Convention internationale relative aux droits des enfants, qui est la CDE, et mhm. de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Ok. Alors, euh, comment travaillez-vous avec les autorités, euh, puisque c'est de cela qu'il s'agit Effectivement, nous travaillons avec les autorités parce que euh, dans nos objectifs, nous servons d'interface entre les organisations de jeunes entre elles et les organisations de jeunes et les organisations nationales, locales et internationales. Mm. Nous faisons également le plaidoyer. Si on fait le plaidoyer, c'est à l'endroit des décideurs, c'est à l'endroit des autorités. Mm. Si on remarque qu'il y a un acte déplacé posé à l'endroit d'un enfant ou bien à l'encontre d'un enfant ou d'un jeune, mm. c'est d'interpeller ces jeunes, euh, c'est de faire un plaidoyer pour que d'autres jeunes qui sont dans la même situation puissent se retrouver et que, la, euh, et que le problème puisse s'arrêter à ce niveau. D'accord. Alors, pouvez-vous euh, partager des exemples concrets où euh, la voix des enfants a eu un impact significatif sur une décision ou une initiative Bon, on va dire, du moment où il y a des appels à candidature et que nous postulons et que nos propositions ou nos initiatives sont retenues, on va dire que là, il y a des, euh, nos, décisions ou bien nos décisions sont en train d'être prises en compte. Il y a récemment, on a mis en œuvre un projet dénommé Initiative des jeunes en faveur de la paix et de la cohésion sociale pour amener les jeunes de Tilaberi et de Tawa, comme c'est les deux zones d'intervention, de prendre conscience et de voir comment est-ce qu'il peut amener les autres jeunes à ne pas, à ne pas se faire enrôler dans les groupes armés non étatiques mhm. et aussi à dénoncer à chaque fois qu'ils voient un cas suspect. Mhm. C'est de dénoncer parce qu'il ne faut pas toujours se retrouver dans un euh, dans une zone où on est toujours victime, il faut voir que nous sommes aussi acteurs des fois. Mhm. Mhm. Donc, il faut les sensibiliser. On a mené plusieurs caravanes de sensibilisation mhm. pour sensibiliser ces jeunes-là à prendre conscience que la paix et la cohésion sociale doivent passer par nous parce que nous constituons la l'écrasante majorité. Mhm. Nous sommes quand même à plus de 110% de la population. Donc si on, se met, si on, s'y met, on, peut, on peut arriver, on peut trouver beaucoup de solutions. Merci Madame Mamoudou Hama Issa Dans cette première partie de nos échanges, nous avons retenu que euh, c'est une organisation qui est pour les jeunes aussi dirigée par des jeunes et à but non lucratif et euh, elle est principalement euh, concentré sur tout ce qui est respect des droits des enfants et des jeunes. Et surtout, c'est les moins de 24 ans. Nous allons parler des objectifs futurs dans le cadre du cadre consultatif en matière de renforcement de participation des enfants dans la gouvernance et la prise de décision, mais euh, ça sera après la pause musicale. Oui, euh, bien évidemment, ça sera après la pause musicale et je vous propose le titre Zukiata de Auta MG. C'est une chanson qui fait vibrer même le cœur des célibataires tellement les paroles te plongent dans le corps d'un grand sentimental. Zuchiata qui veut tout simplement dire mon cœur. kin karfata le titre Zuchiata, un feat entre MJ Mjiboy et Rekia Moussapoussi. Retour au studio avec notre invitée du jour, euh, Madame Mamoudou Hamaïsa Eichetou. Je vous rappelle qu'elle est la responsable du cadre consultatif des jeunes et des enfants du Niger et nous parlons avec elle sur la participation des enfants dans la prise de décision. Madame Mamoudou Hamaïsa Eichetou, alors, euh, ma question est la suivante. Quels sont les principaux défis auxquels les enfants et les jeunes sont confrontés lorsqu'ils cherchent à participer dans la prise de décision euh, Les défis sont vraiment énormes et multiformes. Mhm. Euh, maintenant, si on prend un seul exemple, le défi lié à l'employabilité des jeunes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont formés, il y a beaucoup de jeunes qui sont formés dans les universités, dans les instituts, dans les écoles professionnelles, mais que l'offre ne répond pas, ne répond pas à la demande. Mhm. Il y a assez de jeunes qui sont là et qui doivent avoir un emploi ou bien quelque part où se caser. Et là, c'est vraiment un, véritable défi auquel nous sommes confrontés. Mhm. Il y a également le défi lié à la protection des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas protégés. On prend le seul cas des enfants qui sont en conflit avec la loi. Mm. Normalement, un enfant, on dit un enfant, c'est toute personne, fille ou garçon âgée de moins de 18 ans. Mhm. Cet enfant-là doit être protégé. Aujourd'hui, si vous allez dans les maisons d'arrêt, il y a des enfants, il y a d'autres qui n'ont pas 18 ans, qui n'ont à peine 15-16 ans, mhm. qui sont euh, qui sont là enfermés parce qu'il y a justement les, les textes qui ne sont pas en en harmonie, on va dire. Mhm. Parce que si vous définissez un enfant dans un pays, il faut que cette définition-là soit conforme à, euh, à tous les niveaux. Mhm. Il y a le code pénal qui dit le jeune âgé de moins de 13 ans est pénalement irresponsable, alors qu'un enfant, on l'a dit, comme l'a dit la Convention internationale, c'est moins de 18 ans. Mhm. Donc il faut qu'il y ait une seule définition de l'enfant pour que nous arrivions à comment on va dire, à résoudre un certain nombre de problèmes. Mm. Il y a également le faible accès des jeunes aux connaissances et aux opportunités de développement et de leurs compétences. Il y a beaucoup d'opportunités qui sont là pour les jeunes, mais que ce ne sont pas ces jeunes-là qui en bénéficient. Mm-hmm, mm-hmm. C'est d'autres qui sont là euh, pour, arracher cela. D'accord. Alors, quels sont les avantages de la participation des jeunes euh, En quoi peut-elle peut, peut hein, contribuer dans la société euh, les avantages de la participation des jeunes, c'est comme on veut avancer d'un point A à un point B mhm. et qu'on décide de marcher sur un seul pied ou une, seule jambe. Mhm. Là, la démarche ne sera pas du tout bon à, équilibrée. Voilà, la démarche ne sera pas équilibrée. C'est comme si on dit qu'on veut un pays développé, mais que 115% de la population est derrière. On ne peut pas avancer. Mm. On ne peut pas avancer. Donc, pour répondre à votre question, concernant la participation, en quoi la participation des jeunes peut être oui, en quoi euh, la participation euh, peut contribuer dans la société Oui, la participation des jeunes peut vraiment contribuer à avoir un pays développé mhm. et également, je ne retrouve pas. Hein, Mhm. Ok, un pays développé. D'accord, il n'y a pas de <laughs> souci. Alors, euh, quels sont les objectifs futurs du cadre consultatif en matière de renforcement hein, de la participation des enfants mhm. dans la gouvernance et la prise des décisions D'accord. Les, actions futures, c'est vraiment de continuer le renforcement de capacités pour un changement de comportement. Mhm. Il faut vraiment que nous misions là-dessus. Il faut également que les jeunes, que nous amenons les jeunes à travers nos sensibilisations, à cultiver un certain nombre de valeurs de citoyenneté, à être des citoyens responsables, à être intègres et à cultiver la paix et la cohésion sociale, la non-violence également. Mhm. Et également les amener à bannir un certain nombre de contre-valeurs, mhm. comme euh, euh, la paresse, comme euh, euh, la corruption, mhm. également à éviter la déviance sociale et la déperdition des mœurs. Aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui se font mhm. et qu'on ne peut pas seulement se réduire au silence. Il faut que nous arrivions à amener notre pierre à l'édifice, mhm. étant donné que nous sommes déjà constitués en association et il y a plusieurs jeunes qui sont là. Donc, on peut mutualiser nos efforts pour amener notre pierre dans ce sens. Justement, en parlant de ça, selon vous, comment les médias, y compris la radio, peuvent-ils jouer un rôle essentiel dans la promotion de la participation des enfants et surtout à faire connaître tout cela D'accord. Comment les médias peuvent euh, apporter leur euh, contribution Les médias, c'est quand même euh, le quatrième pouvoir. Sans les médias, on ne peut rien faire. Mm. À travers les médias, on peut porter nos voix là où on ne peut pas aller. À travers les médias, on peut faire nos cris de cœur, on peut faire nos sensibilisations, on peut faire le plaidoyer et cela va faire grand écho. Mhm. Donc, euh, on a vraiment besoin de ces médias-là mm. pour, euh, pour nos sensibilisations, pour euh, nos plaidoyers mhm. et aussi pour faire beaucoup d'activités, en tout cas à travers les postes, on va dire. Mm. D'accord. Alors, quels sont les enseignements tirés des expériences reçues de participation des enfants dans d'autres régions du monde et comment peuvent-ils être appliqués au contexte nigérien Ok. Euh, concernant cette question, hmm. si nous prenons le simple, le simple cas de, de la situation ici au Mali, hmm. Hmm. Euh, concernant la transition, et nous chez nous, à travers euh, eux, c'est qu'ils ont eu à, vivre, On, peut, on peut également faire des partages d'expériences pour que eux, ils nous inspirent. Qu'est-ce qu'ils ont eu à faire à travers à travers leur plateforme, mhm. à travers leur association de jeunes, pour que la voix des jeunes soit prise en compte dans les instances de prise de décision. Mhm. Donc, à travers ces partages d'expériences, on peut, de notre côté aussi, se renforcer, aller dans le même sens, sinon même au-delà. Mhm, Alors, euh, comment est-ce que les parents et les éducateurs peuvent-ils euh, soutenir activement la participation des enfants sans compromettre leur bien-être et leur sécurité, selon vous Il faut tout simplement que les parents sache, comme l'a dit, euh, euh, comme c'est écrit dans le préambule de la, euh, de, la de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on dit toutes les personnes naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Mhm. En se basant sur cette citation, les parents et tout le monde doivent savoir que les enfants ont des droits tout comme eux. Mhm. Et ces droits-là doivent être respectés. Les jeunes ont ces droits et ces droits doivent être respectés. Ce n'est pas un droit qui est donné à telle personne ou telle personne, mais c'est tout le monde qui doit jouir de leurs droits mhm. et ils doivent ils doivent se donner coréen pour que ces droits-là soient respectés. Super. Alors, euh, une dernière question. Pouvez-vous partager euh, des histoires inspirantes des jeunes qui ont été un des exemples de changement grâce à leur participation active dans la prise de décision euh, on peut prendre, il y a beaucoup d'exemples, même ici au Niger, on a assez de jeunes qui mm. ont apporté leur pierre dans la prise en compte des décisions. Mm. Mm-hmm il y a, on a plusieurs jeunes, hein, je vais les dire, même au CCNEJ, on a assez de jeunes. On a des mhm. jeunes comme euh, Rachida Abuzo qui ne se sont pas laissés euh, aller, qui ne se sont pas laissés piétiner. Mhm. Parce que si toi-même tu as connaissance de tes droits et que tu ne le fais pas, ce mhm. c'est pas quelqu'un qui va le faire à, ta, place. On a en tout cas plusieurs jeunes. Et dans ce sens, on a noué en tout cas beaucoup de relations avec beaucoup de partenaires pour que les décisions soit prise en compte. Et également, ce que je peux partager avec vous, suite euh, euh, à la crise euh, de, de Tilaberi, mhm. on a fait un plaidoyer mhm. et ces plaidoyers-là ont été pris en compte au niveau de la médiature et tout pour la mhm. création des internats pour les jeunes, pour qu'elles puissent pour qu'ils puissent continuer leurs études. Ok, merci infiniment, Madame euh, Mahmoudou Hama Issa Aïchatou, d'avoir répondu présente à notre invitation. Ça sera tout pour aujourd'hui, euh, tout en espérant que nous aurons une autre occasion de vous recevoir encore une fois de plus euh, pour parler d'autres sujets. Merci. Excellente journée à vous. Merci. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. C'est nous à présent, c'est l'heure de notre rubrique hebdomadaire. Nous sommes lundi et justement, nous allons parler justice. Oui, Samira, aujourd'hui, dans la rubrique justice, le magistrat nous explique ce qu'on appelle un vol criminel. Pour en savoir plus sur euh, ces délits, Anissé Karim s'est entretenu avec Ataher Liman Ahmed, magistrat. Euh, quand dit-on qu'un vol est criminel On suit. Suivant notre euh, code pénal, plus précisément en son article 309, le vol est défini comme la soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à autrui. Maintenant, le vol peut être simple, il peut être euh, criminel ou aggravé. Le vol est criminel suivant notre euh, législation lorsque il a été commis avec au moins trois circonstances aggravantes, à savoir la nuit ou que le vol a été commis en réunion de deux ou de plusieurs personnes et lorsque le vol a été commis avec port d'armes ou dans une habitation ou ses dépendances lorsqu'il a été commis par effraction, par escalade ou usage de fausses clés dans une habitation ou de ses dépendances ou prise de faux titres publics avec utilisation d'un véhicule motorisé, d'un chameau ou d'un cheval, etc. Donc lorsque le vol a été commis avec trois de ces circonstances-là, on parle de vol criminel. Est-ce que la valeur du bien volé détermine-t-elle les caractères criminels d'un vol La valeur du bien volé ne détermine pas les caractères euh, criminels dès lors que ces circonstances euh, énumérées à l'article 309 ne se retrouve pas tel le vol commis. Par exemple, vous volez simplement un bien, quelle que soit sa valeur, quel que soit son prix, ça n'accorde pas au vol le caractère criminel. Il faut qu'il y ait au moins trois circonstances énumérées à l'article 309. Par exemple, le vol a été commis la nuit, il a été commis avec utilisation de moyens motorisés et aussi, par exemple, l'asile habitation. Quelle est la sanction du vol criminel la sanction du vol criminel euh, varie en fonction des circonstances euh, de la commission du vol. Lorsque le vol aura été commis avec euh, trois des circonstances mentionnées à l'article 309, l'emprisonnement sera de 10 à 20 ans. Maintenant, si des violences et laissé des traces, des blessures ou des contusions ont été exercées, l'emprisonnement sera de 15 à 30 ans. Mais lorsque le vol aura été commis avec quatre ou plus des circonstances mentionnées à l'article 309, l'emprisonnement à vie sera prononcé. Et si des violences et laissé des des traces de blessures ou des contusions ont été exercées, la peine de mort sera encourue et la tentative de vol criminel est punie comme le vol lui-même. C'était là notre partie rubrique justice. À présent, nous allons passer à la troisième note musicale de cette émission. Et je vous propose, chers auditeurs, le titre Alam Nadjara, un titre de Nana Yubanya et Yak Bisséna. Eh bien, dans ce titre, Nana et Yak attirent euh, l'attention des jeunes sur la vie de tous les jours, mhm. surtout le vivre ensemble et le savoir vivre. Et c'est dans des notes de musique sur un air amusant, comme les chants des jeunes d'antan. Eh Autour du fait, bien eh évidemment. Et oui, comme On, On écoute. da dai burkan na haini ne ragahi gina buhadugu wando ga kai ba si ibor mara asin da sika wone yanya beri na gate fara algu sai waro mana mekana gate alam ne kyala ara ngano irgo gate so bai a gaba da na karyan ga dirga kyarta ta bai barkullo ga bai sabi zaga bisa gaba ta kwai barkan wangi mo on à l'écho des régions. Effectivement, Samira, pour euh, le reportage euh, en région, nous restons à Niamey pour parler des taxis motos communément appelés kabukabu. Avec euh, l'extension de la capitale, beaucoup de quartiers ont vu le jour et pour y accéder représente un parcours du combattant pour des raisons évoquées dans ce reportage signé Moutari Mahamadou. suna da yawa matasa da suka rungumi sana'ar kabu-kabu a unguwar kwarafagi inda suke ɗaukar jama'a suna kai su waɗansu sabbin unguwanni da taksi take da wahalar samu a waɗannan wurare inda mafi akasari masu wannan sana'a ta kabu-kabu wasu sun rasa aikin su ne yasa suka tsunduma wannan sana'a domin yaƙi da zaman kashe wando da kuma hiddawa kansu takaici shine ya sanya suke wannan sana'ar wasu kuma kabu kamamin ne suke yi idan suka sauka sai su kaiwa mai moton balas 300 ko jikabi har zuwa 500 Ga dai abin da wasu masu wannan sana'a ta kabu-kabu suke shaida min irin alkhairin da suke samu a cikin wannan sana'ar tasu. Muna dauka kilan muna kai shi kyan cangare. Daga cangare muna kai kyan karsan ba muna ta yi sabara muna ta yi saju da sauransu. Ba kullum ne ana samun kilan. Kadan kadan dai ne. Eh kyan taxi ba su da kyan. Tun da rere ne akwai. To karsan ba da yi a mazika ne ana kai kyan. Eh wajen saju mazika ne. Aikin garin ma ba mutum ba mu samu. Ko da wannan dai ne ya samu shiga kabu-kabu ne. muna son mu samu abun da muna ji da yaran mu da matan mu wata ran mutum na samu san kimil wata ran sai mil iyayi eh, in bai yi ba ko sai hankuri wata ran bai kai haka ne ina ga na kamu kamu na juma da na yi ta ina ga ita na yi ta in aiki na an kira ni waje aiki sai ta yi wani aiki wallahi wani bi kana samu san kimi simi wanda duk kana samu settimil wannan ka samu shi yayi zama mana ne banda iyali mai mai iyali ma bai gwada min wani tun da ko gida ni nake jira su Kasancewa inda 'yan kabu-kabun suke zuwa wani lokaci yana da wahalar samun taksi ya sanya 'yan kabu-kabun suna samun abokanin cinikayya sosai masu hawan kabu-kabun a cikin farashi mai sauki kamar yadda wasu suke bayyana min. Yana dole mai saboda sine da sauri muna hawa da sauri abokai mai sauri kuma suna biya karamin kudi. Kata tana biya da sauri? Eh saboda kuma muna hawa kabu mana. Dan kana wuri. so ka san ko a ko taxi mun mun ya hau biskan wannan saboda su ne suna da aura saboda mu talaka ne ba mai je taxi na zuwa can arabin ko sittin ko da na saboda kuma na hawo kabu kabu kabu kabu ko da yaushe kana iske shi taxi kun ba ko da yaushe kuke samun ta ba wani bi ma in ka tsaya da mai taxi ka ce mai bayan jandarmeri ba baya kuma shi dan kabu kabu ko da yaushe su suna nan ne ya ko su tara gyara mu gaskiya na ba shi dala 40 ko dala 30 sai ka kai ne aji nan na ba 1 km kilomita dari arba'in da almahim da ibn basi ya isa. Ita dai wannan sana'a ta kabu-kabu a waɗansu unguwanni na babban birnin mai, masu yin ta suna yi ne ba cikin ƙa'ida ba da tsarin amincewar hukumomi. Don haka ne masu wannan sana'a ta kabu-kabu suke buƙatar hukumomi su yarda musu yadda za su yi tsari a cikin doka da zai ba su damar yin tsari na ƙungiya da samar da lambobi ga motunansu da masu kansu da ke tabbatar da su 'yan kabu-kabu ne domin kaucewa 'yan Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Merci à Moutari Mahamadou pour ce beau reportage en région. En parlant de région, euh, pour tous ceux qui nous écoutent à Niamey, c'est sur Canal 3 sur la point Il est 11h passé de 38 minutes et c'est l'heure du sport avec Soumana Amadou. Bonjour Soumana. Bonjour à tous. Bonjour. Alors Soumana, la semaine passée, euh, tu étais à Tessawa dans la région de Maradi et tu as eu l'occasion d'assister à une séance d'entraînement de l'équipe de football de la ville. Et eh oui, c'est le Nassara de Tessawa. C'est l'une des meilleures équipes de la région de Maradi. Donc plusieurs fois, elle a représenté la région au niveau national pour la compétition de la Coupe nationale et à la Ligue nationale qu'on appelle aussi Ligue 1. En 2023, le Nassara est descendu à la deuxième division, c'est-à-dire à la Ligue 2. Donc c'est pourquoi actuellement, une trentaine de joueurs s'entraînent deux à 3 heures les après-midi, donc sous l'œil ou disons l'observation d'un staff attentif. Et je vous propose d'écouter Mohamed Abd Abdurrachid, qui est l'entraîneur de l'équipe, et il, explique les difficultés qui freinent le développement de ce sport dans cette ville. wayan yana manke tunda da kun gani akwai kayan aiki wanda bamu da wanda kawai abin da muke da shi da shi ne muke aiki kwallon kawai Niger abin da ya tsaida mu baya kamar rashin taimako ne muna buƙatar kayan aiki wayan finansiye moralaman ma muna buƙatar a yi su tenar mu kuna gani a yanzu kuma da Afirka ake yi sai da mai kalla amma inda ana son wayan yau da gobe yau da gobe da mu ma yanzu muna can sai an kalle mu insha Allah eh bara manta ta yi caridas kenan hawa ligue 1 allah bai ni ba mun dawo yanzu muna cikin phase in preparation pour le moment nous 25 joueurs eh sauran kuma sai son da joueurs amateur wanda muke ganin kamar cikin su muna iya doka zuwa baɗi mu cikin ekipin tamu insha Allah yanzu na akwai wanda ke 18 cikin su nan akwai masu 16 ans wala su ne muke prepare saboda su zuwa gaba muna ganin muna iya sa su cikin ekipin mai cikin ekip din akwai har mai karanta akwai akwai taransan kan eh, in muna son mu samu yiwuwar on fait appel eh, joueur duka na gari kulabobi sai mu ce musu su zo muna son joueur on procede a des test muka yi test muka ga yi number din joueur da muke so muka ida sai mu yi communication sunayen wanda muka yi retenir wanda ba samu ba kuma sai baɗi in Allah ya yi sai su da Eh bien, donc, selon le directeur départemental de la jeunesse et des sports, de Tessawa, le football est l'une des disciplines sportives la plus pratiquée à Tessawa. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci, à bientôt. Merci infiniment, Soumana, pour euh, toutes ces informations sportives. Maintenant, on passe à notre rubrique Portrait c'est nous. Exactement. Euh, dans la rubrique Portrait d'aujourd'hui, nous irons en dessous à Dosso, à la rencontre de Aïcha Garba, dite IA. Euh, c'est une euh, centenaire et malgré son âge très avancé, dispose de toutes ses facultés. Elle confectionne à la main euh, des éventails communément appelés Fondou. Mhm. son, portrait est signé Nana Hadiza Hassan. iya kaka ce kewaye da zuri'arta a tsakiyar gidanta ainihin sunan iya aisha garba mai shekaru akalla hamsin a duniya kana tana cikin koshin lafiya ga mani ba irin na yanzu ba me yasa shekarar da nasara ya kawo muna gudu muna shiga daji kamar diyan bariri ran da mota ta taho junju nasara ya taura nan ya fara zakuwa juju ta na yi duk babu wanda ya yi tatsa ba su san jizan mota ba sun ka mun ka shiga cikin goro mun ka ɓoye ƙirƙice da dariya an ka gane mu. Ranar nisan bugu kamar mabuga. Iya ta kasance da ciziyar mace mai kuzari duk da yawan shekarunta. Iya na aikin hannu ta hanyar saƙa fayafin ne masu kyau da ado launi iri daban-daban. Ni ga yi ce da gani ni yi su da hannu na ba Bana kai kai goma ne ni ta da gere ni sai da gere. A'a zare dai in ke kaba sa'an nan babu uru. Da kaba kika saƙa. Kisa baka kisa sa fara ki ita a daddare da ki wani in yayi shi gari da gari kama a yi taro sai yi aro a rufe ƙorin gidauni ni sa na haɗa gora ni ka inda aka ɗogora makurkuri in na jeje ni wallahi ban sanar makowa shi ni ka wata in ta sauka na da abokiya ta taho kina bata in bata da to ba mu samu amfanin shi ba wani kokaru bai koren kanada sa'an nan kore na ba a cewar lamisi ɗaya daga cikin jikokin aisha garba ta ce tsofuwar na amfani ne da launin abinci marasa nauyi wanda watakila hakan na ɗaya daga cikin abin da ke ƙara ma tsofuwar ƙarfi da kuzari kana da nisan kwana. Ni dai ce kanya ta babba ga 47 gara sanan dai muna rayuwa da ita. Daga kwamto sai nono sai hura shi dai a ta da tuwon ga kurba kurba. Babu haƙura amma in kin ga yadda take haɗiyan nama sai tana bani mamaki. To di ba dai yanzu ki gani ga ta nan ga haɗiyan shi. Kuma ba ta son kini ba ta son allura. Sha tai ko hankalinta ya hita gare ta aka kai ta likita ita bata yahe muna ba samu dai icce a jika a bata ta sha to shine maganin ta sai kaga ku ta samu lahiya shekarun gabi dai ne na ga rashin lahiya ya kama ta amma da tana dadewa haka nan bata yi rashin lahiya ba ba da muke tausa ba ko ina tana zuwa da kika gani ta ma sauran jikokinta ma karhi tunda abin da take iya yi ke gane ta nan ni sai tana bani mamaki to di ba ta duka ba mai ido na sakan ga babu mai ido amma ita kin gane ta ko bana Allah dai ya san abin da ta saka ita kai tana gani sosai wallahi har Merci Nana Hadiza Hassan pour ce portrait rarissime. Chers auditeurs, c'est avec le titre Dossa de Seine Mega que nous bouclons cette playlist d'aujourd'hui. On vous laisse kiffer.

Cher chers auditeurs, euh, c'était là le titre d'Ossa de l'artiste Seini Meiga. Alors, euh, Samira, c'est l'heure de Lotti d'aujourd'hui. Et dans la chronique Lotti de ce lundi, nous parlons euh, d'un problème qu'on rencontre dans certaines écoles, une exploitation des élèves qui n'est pas son nom, qui ne dit pas son nom, par certaines enseignantes pendant les heures des classes. En effet, c'est un constat qui montre que des élèves sont utilisés pour des petits commerces ou des travaux domestiques. Cet acte est une, est faute, grave selon les textes de la Direction nationale de l'éducation. Écoutons moi-même Rekia Arimi. alaikum. Wa alaikum assalam furo maino. A'a ai chogala metres. ga hamu. Ba ni gihin gati. Da zan kai wo gogin gai chauyen ai te matka himanda isigi forai dan ira. Gun irkoi sai ikayyai matki ga himanda. Ayuwa wa sai sai wallahi. Haba ai choga. Ni mgin bon hano gina. Mangano masala wo gofun. Ifo sai non lokoli go hayi wote. Amon tom ni mi ha me nimo. Nyangai talino me. Ha? Kisi mo dan i wani kyau ga di kwaifu ayya dai aiwa gi ke wanda matuka himanda hmm. hagino kan ga fala nim ne ba fo tali gaga a ni woni sidi ni wono to aiwa wo man tuwadi no kan ai man tagan lokolo ya marko to ki ai sai fo no katani ai wana klasora madalla ai mai ne zakan lokolo sintin nigin lokoli zai sambani kwara im koi ga habugu tusun da hankan himanda tenisi ifo manoni ma wone kai gina ai man ban ine mboda koi ne ni go ginne gandi ken ken fo ente lakwal. ni lakol zai mono go ga tenisi ni ma no ise mi ko ga ne ga lakol sai. wani ise wone mboga hingi gangi chawya laure wone ga kwanda barnisi hay kan ay goga te ay kala sora asin guna ha hasin guna koi ne mu manti kyawe ngo watano ay go gidan goyi dira iwan fulan zamai kai na ki gino guruwai a rana gidan goyi kai na fo koi ne mu hanfoyen mu ka daidir zumbula kwal hey wo ai di yanga asilan bi wani kyawe mo gafa hey wallahi so gaya nigna ne ni gafa to son da haifo duwai motu koy gi kar di fatala kolwaga ifo no hinga hingani Hai, kul no si duwai di ir koy ba nigi bai kan ai kwar gone da lokolo banda koy ne mo fu goyo ki gi taise asi lokaci sambu he ni sintin ga wasai fa ni sintin ga wasai to hanga na imci ni se sanifo sagu so kan ga hagwai da cauyan kai ni kai nai a wani tigai manne kala bo kunno sindi inci kan gizan ka donton a fattala kwalwara ba da iwan filan zamai lokaci warano a manhagu zamdin te yadin wo ni fur iwan alhakora wadin momente koyin mu zai go amfani da zankai wano no rice ciyan maga ifo no ni go rice sewo koi ne dinga ni ba gane igai garai lokolwara hey si ci hankan ai manci ne ma ai da dai ne ni sai mahagwai din bon ni min goyo te mu matkan a himada ni muskwai gudu masala ne kwai kaina to la sabu gudidi ne inspector walmo sai ya morka yi kanan gogin ga imye kagar mu lakwali zai si ingai klaso ga gacau mata no gati hmm. ayo mamila hal haya ga to ya kine amma ai ga hayo wote dai no mu dugudu ai no rizikai na fo ai zibaira hai gwamnato sigin banno gwamnato ko yin banno nim dugu zan kai wono berai ya dinga wajibi ni ganim hagoi diwan chawyon im dugu te berai koniya amma matini no him gite sabili kan gana im ne subi kan daira to rot mata ne gite songo to ni him gana me zam hun kuna dine ni wani izo chawandika agote ni izo se ya ne matuno ni gani ifo he asibata no lauratu ai ga kwanda ihe nono hankanga ti wani gini funado ah ni di wala asikanu mi tonka ga. he eh, a yi faham son wa isabu wallahi kani ne a waferi fila, ya dirmo no igici ai kelai sai mu kwai ne imsi wadin te asibori to za kan so ne ran doga baga saga ni caga baga ceri sallai sai din dinga kai ni foi mo <laughs> ai da ngai mera bini yayi wo kai goni bon kondara sambu nga noya eh wallahi biskiyo fa so wace se markino ni gingine ri ya cinu ka kanun da ayo ni gogai duk ran dino fa eh, ai ben beno me an nor gara ai ko gor fuwe ga ni du kan ni du sobai C'était là le loti que nous a proposé le desk femme du studio Kalangu. Écoutons à présent des explications sur le mot éducation en anglais avec Samira Omoro. Ladies and gentlemen, Good morning. Welcome to your favorite show, Culture Linguistique. Hope you are doing well. Chers auditeurs et auditrices, en espérant que vous vous portez bien, bonjour et bienvenue dans votre émission Culture Linguistique. Tous les 24 janvier, nous célébrons la journée internationale de l'éducation. Donc le mot du jour est éducation. Que veut dire éducation en anglais En anglais, il n'y a que la prononciation qui fait la différence et ça se lit Education. Education is the process of teaching or learning, in the school or college, or the knowledge that you get from this. L'éducation est le processus d'enseignement ou d'apprentissage, notamment dans une école. Et à l'ère du numérique, nous pouvons apprendre depuis la maison sur notre téléphone portable ou notre ordinateur. Prenons un exemple. Education is the transmission of civilization, qui veut dire que l'éducation est la transmission de la civilisation. Un deuxième exemple. Education is the good investment. That means l'éducation est un bon investissement. Un dernier exemple. Educate a girl is educate a nation, qui signifie que éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. L'éducation est un puissant facteur de changement. Elle améliore la santé et les moyens de subsistance. Education has a benefit like developing productive thinking or developing self-discipline. Ladies and gentlemen, that's all for today. Chers auditeurs, auditrices, comme le disait Laurent Sardou, chaque jour est une vie. Prenez soin de vous et travaillons à la beauté des choses. On se dit au revoir et à très bientôt. Bye bye and joining you next time. Voilà, merci Samira pour euh, cet éclaircissement. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. 82 89 89 64. Et oui, justement, écoutons ensemble les messages que vous nous aviez envoyés. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. nakas min harun nagalemin tidit asa sadrgana ya emission tan min studio kalangu naka asa hanayen fil magradan wita ganin da studio kalangu as ida wanne tana di tarana ne qafa wanne tidum nakka da qalaga sana awadum da sanil kam falas arat kul dizbin ida wanne kul do sana dan sata gasara shi da wannan falas da wannan garan duiki dum wisi horda da wannan da magrad ida wanne tan gimta gani da wanne tan more na qaf awara dosan dagal wakul arin tagasa naran sal khair tamagan adagal ni kirmi dobat naran ya gafawan ni kidam aran ya gafawan nasan kalkalangu sidargana idu ni tan nasan gotnin ganin fala awadda qalana أنا متفق نجيدم أجاني فلا ودا قلن تيغري فلا ودا قلنا أسرك من تدورين إذا وني تنجاني فلا تاري تيتا ويكل فلا رقصدت إذا وني تنجاني فلا مشاكل إجرا وكلنا daga wa daqqalin amlillin tanaya khasil aratan gotni tidon nen daksan sadr gana igrazi hulle na studio kalangu arsti wara na watagan izar akana na sosu hin radio tan te dirmi shagalan asosu ya stangan nagas idarani da wonni da wonni tan wita gadan da ganya mai mai da giyen atta gan da radio tan kul da mana ran nan sai man tan kal radio ta ta ta da kal nawan agrata prefe mai tagaran man dam tagaran man dam mujran kaza sidun nem tan fil magrib kaza in kadi takmawen نكال يكيت نسنة أدسقرنت نكا أرينوها لغا موسى أقدوندا قال ماجسترا دغا كالنا أرليت أرينوها لغا محمد أقساني إهانا سوسيتي سوما دغا كالنا كوني أرينوها لغا عبد الله أقجادو إهان تورودي أرينوها لغا عبد الله أجنتريا إهانا كالنا يرو وها لغين ديق المنيرك محمد الزاغن دغا تيرا Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. C'était le message des auditeurs qui annonce aussi la fin de cette émission de ce lundi 22 janvier 2024. Vous étiez en compagnie de Samira Rafi et Ali Munkaila Hosseini. Et oui, l'édition a été assurée par Adam Adawaki et à la technique, euh, c'était tout simplement Mustafa Ayuba. On se dit à 17h pour la grande édition et le forum du soir à, partir de 18h15 Bon début de semaine à tous. On tourne page pour 2024. 2024. Bonne année à toutes et à tous. Allah fitna rodna watay. Kukaye si. Barkaji modon e wonja golitane. Jama'a barkamu da sabuwar shekara. Toute l'équipe vous souhaite une très belle année 2024.